le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, le forum du studio Kalam, Il est 18h passé de 15 minutes. Euh, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et enfin FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Benengaure, Kirozerine, Magaria, Minosoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Et puis depuis le début de ce mois d'août 2017, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux auditeurs de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Dogonduchi, de Walam, de Kabalewa, de Ingengemi et de Kwartegi dans le deuxième arrondissement communal de la capitale, soit un total de 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangu notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Organisation des huitièmes Jeux de la francophonie d'Abidjan et participation du Niger, quel bilan tirer C'est autour de ce thème que nous débattrons au cours du forum de ce lundi 14 août 2017 les huitièmes Jeux de la francophonie, comme vous le savez, se sont déroulés du 21 au 31 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Rappelons que le Niger, pays organisateur de ces mêmes Jeux en 2005, y a participé, une participation qui a connu des failles que nous tenterons d'énumérer ici. Comment étaient organisés ces Jeux d'Abidjan, accueil hébergement, le site des compétitions, quelle différence avec les précédentes éditions, notamment les Jeux de Niamey en 2005 Quels sont les pays ou les individus qui ont brillé par leur participation aux Jeux d'Abidjan Dans quelles conditions le Niger a pu participer à ce rendez-vous Quels ont été les fruits de la moisson du Niger, les insuffisances à relever et les perspectives à venir c'est tout cela que nous tenterons d'aborder au cours de ce forum. Pour ce faire, nous avons avec nous dans ce studio A d'abord euh, le premier médaillé de ces Jeux. Il a remporté la médaille d'or le 25 euh, juillet 2017 euh, pour sa nouvelle intitulée L'homme qui donne des baisers au vent. Il a dévancé le Canadien Gabriel Malcou Chabot, médaillé d'argent en littérature de ce grand rendez-vous du monde francophone. Il s'agit de Razak, René André. Monsieur Razak, Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec euh, Docteur Dr euh, Jamila Ferjani, très impliquée dans l'organisation des Jeux de la francophonie. et est euh, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Bonsoir, Dr Jamila. Bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir également le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Abdulbaki Rachid, qui a assuré un encadrement important à nos ambassadeurs à ces Jeux. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous et merci, chers invités, d'avoir répondu présent à cette euh, invitation. Les huitièmes Jeux de la francophonie de Côte d'Ivoire ont été un succès total selon de nombreuses sources dans les médias internationaux. Docteur Yamila, en tant qu'expert de ces Jeux, donc euh, impliqué dans cette euh, organisation, résumez-nous comment est-on arrivé à se satisfaire euh, d'abord, je voudrais remercier le studio Kalangou de nous avoir invités mhm. pour partager euh, cette expérience des jeux. Et pour répondre à votre question, euh, je suis, moi, j'ai été prise en tant qu'experte par le Comité international des jeux de la francophonie, qui mhm. relève de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour mhm. superviser les préparatifs du village des jeux. Donc tout ce qui concerne le village et la vie au village des participants, euh, c'est sur ça que j'ai travaillé depuis trois ans. Euh, ce qui a fait la réussite des jeux des, huitièmes jeux, euh, et pour résumer ce huitième jeu, je dirais même que c'est c'est les plus beaux jeux, à mon avis, c'est les plus beaux jeux de la francophonie, mhm. de toute l'histoire des jeux ce qui a fait le succès de, ces Jeux, de cette édition, c'est d'abord l'implication des autorités ivoiriennes. Mhm. Il y a une très très grande implication. Euh, ensuite, euh, euh, il, y avait, cette motivation de, tous les acteurs qui, organisaient le comité national des Jeux et tous les, tous les prestataires autour qui se sont vraiment investis dans, ces préparatifs. Mhm. Et en plus, après ça, il y a eu cet engouement des pays participants qui sont venus plus nombreux qu'à chaque édition et avec des délégations plus nombreuses. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que ces trois aspects ont quand même contribué à la réussite de ces Jeux. Ils étaient 54 pays présents. 53 pays présents. 53 pays présents. Mm. Quelle différence ou quoi de meilleur euh, aux éditions précédentes, notamment de 2005 à Niamey, où vous avez là aussi travaillé dans l'organisation euh, L'édition euh, de Niamey, nous avions rencontré beaucoup de problèmes. Vous vous rappelez mm-hmm. de ce qui s'est passé, de cet historique sur lequel je ne vais pas revenir, mais nous n'avons eu notre équipe, celle du docteur Seriba, n'a eu que dix mois pour préparer les Jeux en fin de compte. Mm-hmm. Donc le temps était contre nous parce que pendant trois ou quatre ans, il n'y avait pas eu de, il avait rien eu comme avancé. Et il y avait eu des gros retards. Les jeux avaient failli être annulés. Mhm. Et c'est là que le président Tanja, à l'époque, avait changé et le ministre et toute l'équipe. Et euh, ça a été un travail, euh, un travail d'arrache-pied. Ça a été très dur. Et euh, parfois, le temps, il est incompressible. Mais les Jeux du Niger ont aussi ont été, ont quand même eu une, une bonne euh, euh, réussite. Une bonne réussite. C'était une bonne mhm. réussite vu le peu de temps qu'on avait eu. Euh, ça a été quand même parmi, on peut dire que c'est parmi les meilleurs jeux. Mhm. Tentons maintenant de comprendre comment se sont déroulés les préparatifs de la délégation du Niger, car il y a eu beaucoup de débats sur l'impréparation et même sur le choix des personnes pour le départ d'Abidjan. Monsieur Abdelbaki Rachid, directeur des sports, euh, donnez-nous votre version des faits à propos des manquements soulevés ça et là. Ben, manquement, euh, vous avez parlé d'impréparation. Euh, bon, je ne saurais le dire ainsi parce qu'en fait, les Jeux de la francophonie, nous avions en réalité quatre ans pour les préparer. Mhm. Depuis l'édition de Nice, on savait que à cette période précisément, on devait honorer de notre présence euh, les Jeux, les huitièmes Jeux de la francophonie en, Côte d'Ivoire. Et on avait à l'esprit effectivement, euh, comme, comme à, Nice, de nous déplacer en tout cas massivement à travers euh, une forte délégation parce que d'abord c'est en Afrique. on devait notamment avoir quand même certaines facilités de, déplacement mhm. puisque mhm c'est en Afrique, euh, dans la même sous-région, normalement ça ne devait pas poser de problème. Donc euh, quatre ans euh, vraiment pour préparer les athlètes, je pense qu'il n'y avait pas mieux. Et toutes les fédérations qui étaient en réalité pressenties pour présenter des athlètes à cette compétition savaient qu'au niveau de leur agenda, il y avait quand même d'inscrits ces mhm. différentes disciplines. Bon, ce à quoi donc elles se sont attelées, je dirais avec euh, plus ou moins de succès. Euh, ensuite, euh, il faudra effectivement évoquer par rapport à l'impréparation le fait que nous n'avions pas pu faire en sorte que nos équipes soient ouvertes au moment opportun. dans nos prévisions, on prévoyait effectivement de faire en sorte qu'il y ait une mise au vert pour les athlètes notamment d'une durée de deux mois. Mmh. Malheureusement, donc, euh, nous nous sommes confrontés à un problème euh, de ressources financières notamment. Nous n'avons pas pu honorer donc cet engagement. La mise au vert devait en réalité nous permettre euh, d'assurer une certaine cohésion mmh. au niveau de, l'ensemble des équipes, des athlètes qui ont été, qui ont été choisis. Euh, donc une période qui devait également permettre de peaufiner la préparation technique, euh, tactique des, différentes euh, équipes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque, je le disais, on avait été confronté à ce manque de, ressources. Mais l'un dans l'autre, je pense que entre quatre ans et puis <laughs> un mois de préparation, je pense que la balance, elle est, elle, est, elle est toute faite en réalité. je pense que les fédérations ont eu le temps matériel de, préparer les athlètes. Mais face à, certaines difficultés, notamment de, mobilisation de ressources, euh, elles n'ont peut-être pas pu faire face aux, différents besoins et c'est ce qui explique un petit peu, en tout cas, ces défaillances sur ce plan. Quelques jours même avant le départ de la délégation, vous avez eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre et chef du gouvernement, mais ça n'a pas empêché euh, à ce que le départ soit ajourné, on a constaté. Non, en, réalité, euh, par rapport à ces jeux, il n'y avait pas eu euh, d'inscription budgétaire. Donc, euh, on va dire que ce n'était pas du tout programmé, mhm. n'est-ce pas Et, qu'il a fallu, en tout cas, les derniers moments pour que euh, des dispositions soient prises au plus haut niveau pour que notre pays, quand même, puisse assurer eh, sa participation à ces Jeux, parce que personne ne saurait comprendre quand même une absence du Niger mhm. au aux Jeux de la francophonie, puisque, comme vous le savez, euh, le Niger est quand même euh, euh, à l'origine de, la naissance même de, l'OIF, mhm. n'est-ce pas, donc à travers le président Diori et ses pères? Mhm. Donc on ne saurait comprendre que nous ne puissions pas participer à ces Jeux d'Abidjan qui se déroulent à quelques kilomètres de, nous, mhm. alors que nous avons quand même honoré notre présence euh, toutes les éditions des Jeux depuis 89 au Maroc jusqu'à jusqu'à celle de Nice en 2013. <laughs> Donc euh, il n'y avait pas donc d'inscription budgétaire. Après donc il a fallu recourir aux plus hautes autorités de l'État pour que en tout cas des dispositions soient prises pour nous permettre effectivement d'effectuer le déplacement. Et dans ce contexte, vous comprendrez aisément le fait qu'on n'ait pas eu le temps matériel de préparer nos athlètes. Tout à fait. Mais cela dit, enfin, on reviendra sûrement sur, <laughs> sur la moisson. On, reviendra à vous justement, euh, monsieur le directeur. Euh, monsieur Razak René, euh, comment vous, vous avez préparé votre participation euh, à ce jeu Vous avez impressionné tous les Nigériens quand même. Merci pour l'occasion que vous me donnez euh, c'est nous que vous aimez. Quand, j'étais arrivé depuis les Jeux, c'est ma première interview. Donc, pour des raisons euh, que j'explique par le fait que j'ai représenté un pays et j'attends d'être reçu par euh, les autorités d'abord, mm-hmm. avant de passer vers les médias. Donc, j'ai eu assez de coups de fil mais votre appel, en fait, euh, intervient et m'a convaincu de venir parce que, bon, on va discuter des cadres dans lesquels ces jeux ont été préparés. Tout à fait. en tant que candidat, je vais un peu revenir sur la présélection. Mhm. Il y a eu euh, des présélections, des présélections qui ont été euh, faites, à, Niamey en mhm. octobre. Mhm. Donc, en tant que candidat, c'est à ce moment que nous nous sommes, nous avons été appelés. Euh, pour essayer de soumettre les textes. Euh, il y a eu le jury international qui a parcouru euh, tous les pays francophones qui ont sollicité présenter des candidats. Au Niger, nous étions à la fin, nous étions trois. Nous étions trois à, passer devant le jury à la fin, le texte a été retenu et le jury a continué de tourner dans les autres pays. Mmh. Il a collecté des textes Mm, donc, euh, dans tous les autres pays, ils sont réunis en France, je crois, euh, pour faire une synthèse de 24 textes, les places mm. étaient limitées. Donc, à partir de ce moment, le ministère a été saisi pour nous faire part que euh, le texte va compétir. Mm-hmm. Donc, le candidat que je suis va essayer de représenter le Niger au jeu de la francophonie à ses huitième jeux il y a eu, je vais un peu revenir, euh, docteur l'a souligné, pour les Jeux de la francophonie 2005, euh, mmh. euh, j'étais dans, parmi, les, parmi candidats. les, candidats. qui mmh. étaient présélectionnés mmh. jusqu'à passer la finale avec trois autres candidats. J'étais encore plus jeune, j'étais en terminale. Mais avant cela, il y avait eu des ateliers. Il y avait eu beaucoup d'ateliers qui ont sillonné Maradi, Zender, Dosso, Niamey. Pour ces huitièmes Jeux, alors, depuis la présélection, euh, il faut dire que le travail a été fait. Le travail d'écrivain a été fait. Euh, le mhm. travail d'écrivain qui consiste à travailler seul. Euh, on aurait souhaité, certes, on aurait souhaité qu'il y ait des, ateliers d'écriture, comme ceux mhm. qu'il y avait eu en 2005, puisque c'est de ça dont j'ai l'expérience. Euh, jusqu'au jeu, bon, euh, je, je, rappelle aussi que la nouvelle, la nouvelle littéraire est le seul et l'une des rares disciplines à ce jeu où les textes sont envoyés quatre mois avant les jeux. Ouais. Donc, quatre mois avant le jeu, déjà, le jury doit être en possession des textes. C'est-à-dire avril, en avril. Déjà en avril, déjà le 1er avril, euh, le Niger devait donner la dernière version de son texte. Voilà. c'est Ce qui a été fait. C'est mhm. Ce qui a été fait parce que j'avais quand même l'expérience euh, des années antérieures et je savais qu'il ne fallait pas attendre. Je dis que je suis un footballeur qui n'attend pas de, <laughs> passe pour marquer le buste. Donc, euh, je savais dans quelles conditions nous sommes dans un pays où tout est urgent pratiquement. Mhm, mhm. Si on attend chaque fois que le ministère appelle pour travailler, finalement, je sais ce, que, ce dans quoi je m'étais mis je savais les moyens. Si les moyens sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, c'est mon image qui, qui sera vendue à l'extérieur. J'avais participé à beaucoup de concours et je voulais faire bonne impression à ces concours. Tout à fait. Vous euh, parlez de votre participation en 2005. Vous aviez 18 ans à l'époque, je pense. Et on revient justement, on aurait appris que vous avez particulièrement eu à rencontrer des difficultés, notamment sur votre prise en charge durant ces Jeux. Qu'en est-il exactement, monsieur Pour ce huitième jeu oui. Pour ce huitième jeu, non. Je, euh, du moment où j'ai pu faire le déplacement, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'il y a eu comme préparation, mais du moment où euh, j'ai pu assister à ce jeu, je crois que c'est un effort. C'est un effort que l'État a consenti. Euh, j'ai été traité au même titre que tous les autres candidats qui ont eu à participer à ces jeux. on va revenir sur le déroulement du concours en tant que tel. Peut-être vous j'en voudrais un peu savoir beaucoup plus. Mais j'ai été traité comme tout le monde. Il n'y a pas eu de difficulté, en quelque sorte, notamment du point de vue encadrement. Oui, d'un point de vue encadrement, vous savez, euh, on est écrivain et, quand, mon texte a été retenu, il y avait eu euh, beaucoup de personnes qui se sont prononcées pour m'encadrer. Il y avait eu une petite euh, mésentente entre ces personnes. Mais j'ai des mentors, j'ai des mentors euh, que je peux consulter séparément. À titre personnel. Euh, voilà, à titre personnel. Mhm. Comme je l'ai dit, je n'attends pas des moyens pour, euh, pour travailler. Mhm. Je suis allé vers ces personnes, tous qu'ils sont d'ailleurs, tous qu'ils sont pratiquement tous. Parce que je ne veux pas me laisser, comme je dis, c'est mon image que je vais vendre avant tout et c'est celle du Niger au-delà. Mmh, mmh, Donc, euh, mmh. euh, j'ai pu surmonter quand même ce, ce problème d'encadrement qui s'est posé en ce temps-là. Et je crois que euh, le résultat est là et tant mieux. C'est justement de ce problème d'encadrement, il fallait en parler puisque ça fait partie des difficultés ce qu'on aurait appris, c'est qu'on devait vous assurer cet encadrement. Docteur euh, Fayani Djamila, en tant qu'experte euh, et observatrice, euh, comment avez-vous trouvé ou vécu la préparation du Niger à ces huitièmes Jeux de la francophonie J'ouvre juste une parenthèse pour vos deux invités. Je sais que l'un, il, il, représente le Niger, il a représenté le Niger en tant que candidat, l'autre, il est directeur national, donc ils ne mm. peuvent pas euh, c'est toujours comme ça au Niger, la langue de bois nous empêche de, de dire ce qu'il en est. Et quand on ne dit pas les choses, mhm. on ne peut pas, les corriger et on ne peut pas améliorer. Et ça, c'est un gros problème ici. Je pense que si chacun disait ses problèmes, à la prochaine édition, ces problèmes-là seront réglés un an avant. Et moi, ça, je suis tellement contre ça. <laughs> <laughs> Et, puis, c'est vraiment. Mais je les comprends parce qu'ils sont euh. dans un système qui ne permet pas tout ça, peut-être. parce que. Mais je sais que si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas y remédier. Moi, j'ai une déformation professionnelle, je suis médecin. Si je ne dis pas le diagnostic, je ne pourrai jamais soigner la mmh, maladie. Mmh, mmh. Et c'est ainsi. Et je pense que tout, tout, tout va, toute amélioration part de là. Mhm. Sinon, ce n'est pas possible. Comment j'ai vécu l'impréparation euh, de la délégation nigérienne euh, Moi, je l'ai vécu un peu euh, avec, un peu de tristesse, comme je dis, mhm. parce que j'ai vu, des jeunes qui étaient vraiment, qui avaient plein de fougue. Mhm. Ils étaient très, très, très volontaires. La participation, je veux dire. ils étaient là sur tous les plans et puis quand ils quand ils vont en compétition, euh, ils ne vont pas jusqu'au bout. Mm. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'on sentait qu'ils n'étaient pas préparés. Mm. On sentait que les Nigériens n'étaient pas préparés. Aussi bien en basket, aussi bien en marathon, mm. aussi bien en lutte, etc. Et euh, c'est des disciplines où ils auraient pu emporter beaucoup de médailles. Euh, mais malheureusement, les pays qui étaient là, eux, ils étaient préparés. Les pays qu'ils affrontaient, eux, ils étaient préparés. Imaginez-vous la Roumanie qui gagne la lutte traditionnelle. Euh, juste une, anecdote à ce sujet. La, la, chef de délégation de la Roumanie était euh, à Abidjan au mois de mars, dans le cadre de la rencontre de tous les chefs de délégation des pays qui doivent participer à ces jeux, pour visiter les lieux où ils vont, être logés, leurs délégations et tout. Elle m'a mm. poursuivi pendant deux semaines pour que je lui envoie le code de, la lutte, euh, ou je sais pas, le manuel technique de la lutte traditionnelle au Niger. Et j'ai commencé à le chercher avec les gens du ministère, avec la fédération de la lutte et tout. Ils ont fini par me l'envoyer sur, un support électronique et je mm. lui ai envoyé. Et à partir de là, elle a dû le recevoir <laughs> mi-mars. Et à partir de là, ils sont, ils sont devenus médailles d'argent. Ils n'ont pas, ils n'ont pas fait la lutte avant. Donc tout ça, euh, et puis le marathon, euh, il y, a eu beaucoup de disciplines où les Nigériens ont failli gagner et n'ont pas gagné parce qu'ils n'étaient pas assez préparés. Et ça, ça fait très mal. C'est vrai, on a vu justement par rapport à la lutte des pays euh, qu'on ne connaît pas du tout pratiquement dans le domaine ont pu euh, briller de leur, euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau. Mm. Revenons au jeu proprement dit justement, Monsieur le directeur des sports Abdul Baki, comment se sont-ils déroulés là-bas à Abidjan? Bon, mais ben, les... en fait, je reviendrai un peu sur les propos du docteur. Mm. Ce n'est vraiment pas parce que nous avons la langue de bois. C'est clair que euh, c'est connu de, de, tous, on n'avait pas véritablement les moyens mhm. n'étaient pas mis à notre disposition pour la préparation de nos équipes, ça nous l'avons dit. Mhm. Euh, ce que euh, nous pouvons quand même euh, mettre en exergue, c'est le fait que, euh, vous savez, nous sommes dans un pays où euh, René disait que tout est urgent, moi je dirais tout est prioritaire. Et il y a des priorités dans des priorités. Mhm. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire que le sport est laissé pour compte. Dans les années antérieures, oui. Mais euh, en tout cas, depuis un certain nombre d'années, les autorités, en tout cas les plus hautes autorités, en ont fait leur cheval de bataille. Mhm. Mais vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à à un certain nombre de priorités euh, qui font que malheureusement le sport ne peut pas être érigé au rang de ces priorités-là. Donc euh, euh, nous avons nous avons accusé le coup comme d'autres secteurs bien entendu, mais nous faisons avec. Mais malgré tout, nous avons quand même des résultats qui sont qui sont qui sont très palpables, qui sont qui sont concrets. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, il a fallu que le président de la République s'investisse euh, personnellement pour que euh, nous puissions décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques, euh, une médaille d'argent du monde aux Jeux Olympiques de Rio. Et en bah, poursuivant son action, nous avons pu décrocher une médaille d'or aux champions du monde de taekwondo. Mm-hmm. tout ceci témoigne du fait que de manière sporadique, quand même, les moyens sont mis à notre disposition pour réaliser quand même euh, de bonnes choses. Euh, moi, mon souhait, c'est que euh, cela puisse s'étendre sur, des années, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre, pour permettre de, de, de, de, nous occuper de plusieurs secteurs et de, toucher le plus grand nombre de personnes à travers donc les différentes euh, disciplines sportives. Malheureusement, je disais, euh, par rapport aux priorités, c'était difficile. Le déroulement des Jeux, euh, pour revenir à votre question, le docteur l'a dit, sur euh, un certain nombre de disciplines, l'impréparation a fait que nous ne sommes pas arrivés au bout. Mm-hmm. Concernant le marathon, effectivement, euh, c'était euh, un athlète qui avait déjà une blessure, n'est-ce pas, et qui a arrêté au bout de, 30 km, je pense. Mhm. Donc, euh, sur 40, 42. 42 km 192. Donc, ça fait que euh, c'est vraiment... c'est la, réalité des choses on n'a pas pu aller jusqu'au bout à chaque fois parce que en réalité, en amont, on n'était pas euh, véritablement préparé. Maintenant, pour euh, des disciplines comme la lutte traditionnelle, il faut dire que beaucoup de pays sont en train de s'y mettre, effectivement. Et, tout le monde a retenu quand même la prestation des Roumains. Et je pense que c'est le bonne guerre. Euh, ceci va attirer davantage notre attention sur le fait que nous sommes en train de perdre le leadership déjà en Afrique face aux Sénégalais, ce leadership est contesté parce que nous nous sommes rencontrés, par exemple, au jeu de la francophonie en demi-finale. En demi-finale, dès lors que nous avons été éliminés par les Sénégalais, ça veut dire qu'on ne pouvait, plus jouer le podium pratiquement. Mhm. Donc, euh, enfin, le podium, les deux, les premières places. Donc, euh, euh, c'est cela. Donc, euh, nous avons tiré les leçons et il faudra véritablement travailler et, surtout avoir les moyens véritablement donc euh, de notre politique. Aujourd'hui, quand vous prenez sur, l'ensemble des secteurs du sport, nous faisons beaucoup, beaucoup d'efforts, mais avec le minimum de moyens. Mm-hmm. Hier, rien qu'hier, notre pays a, battu la Côte d'Ivoire ici, sur nos propres installations 2-1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu un exploit pareil, parce que c'est réellement un exploit que de battre la Côte d'Ivoire, même à domicile. N'est-ce pas Donc, euh, euh, je ne vous dis pas les conditions dans lesquelles ce match a été préparé. C'était du stress jusqu'au bout. Donc, euh, parce que réellement, les moyens n'étaient pas disponibles. Mais ce n'est pas parce que, en réalité, les autorités ne font pas, le, ne mettent pas le, le, le, le enfin, ne font pas d'efforts pour ça. Mais il faudra comprendre le contexte euh, qui n'est pas du tout favorable à un certain nombre d'activités pour le moment. Mais malgré tout, quand même, euh, enfin, par le minimum, on, on, dira le strict nécessaire est mis à notre disposition et avec ça, quand même, nous essayons quand même de sortir la tête de l'eau. En gros, quels ont été les moments les plus importants pour le Niger euh, pendant le déroulement de ce huitième jeu de la, de la francophonie à Abidjan D'abord, notre participation. Mm. Il faut dire que nous avons été quand même un des pays euh, dont la participation a été remarquée du point de vue du nombre. Nous étions euh, plus de 150 personnes. Mhm. Euh, d'abord, il faut comprendre que les Jeux de la francophonie, c'est du sport, c'est de la culture, c'est de l'art, donc c'est un certain nombre de, de, disciplines réunies. Et nous sommes donc, nous étions plus de 150. Déjà à ce niveau, je pense que nous avons marqué le coup. C'était important pour un pays qui était parmi quand même les pionniers de la mise en place de cette euh, organisation internationale. Et, vraiment, le passage de notre délégation devant euh, la tribune officielle où quand même siégeait notre, le président de notre, notre pays, c'était quand même un moment, en tout cas, plein d'émotions que beaucoup de gens ont apprécié. Mmh, mmh, mmh. Euh, ensuite, euh, nous avons quand même participé, parce qu'il faut quand même le dire, on participe pour, euh, pour avoir des médailles. Mais rien que le fait quand même de participer à cette fête, n'est-ce pas, mhm. qui était quand même une occasion de brassage entre les jeunes des différents pays, c'était quelque chose quand même de très important qu'il faudra, faudra souligner. Maintenant, on aurait pu effectivement. En gros, s'il faut parler de cette moisson, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça en termes de médailles et en termes de classement de cette participation euh, du Niger à ces huitièmes Jeux Je disais tantôt que les Jeux de la francophonie, c'est un ensemble de sport, culture et art. Euh, on ne saurait dissocier euh, ces différentes disciplines dans ce cadre précis. Mm. Voilà pourquoi euh, la médaille d'or remportée par euh, René nous a permis quand même de très bien nous classer malgré ce que les gens pensent. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, nous avons terminé à la 16e place. Sur, sur les 53 pays, nous avons terminé à la, 13, 16e place. C'est vrai que ce sont véritablement les médailles d'or qui sont prises en compte pour, euh, pour le, le, classement. Derrière nous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands pays qui n'ont engrangé pratiquement aucune médaille. Hmm. Nous, nous en avons engrangé sept au total. Et, euh, Des médailles d'argent Oui, deux médailles d'argent et hmm. puis les autres médailles donc, de bronze. Hmm. Hormis donc la médaille, euh, médaille d'or de René qui a permis quand même de, de, de, de, nous classer, de très bien nous classer donc au classement final le classement final qui donne euh, donc 16 sur 53 euh, pays classés. Docteur, euh, quel commentaire, un mot par rapport à ça C'est vrai, le classement, grâce à la médaille de René, il a été, il a été relevé, c'est vrai. Mhm. Mais je veux dire que on aurait pu, on aurait pu être classé parmi les six premiers. Le Niger aurait pu être classé parmi les six premiers vu la participation vu le nombre de vu le nombre de compétitions, vu le nombre de disciplines dans lesquelles le Niger mm. a, participé, je pense que euh, on aurait pu, faire, mieux. faire plus. Mais je rebondis sur ce que disait euh, le directeur national. C'est quand même triste euh, dans un pays où, il faut que ce soit le président de la République qui qui, qui s'occupe d'un domaine pour que ça marche. Et le ministère des Sports, c'est-à-dire que tout ce qu'on a comme médaille d'or ici, c'est vrai, ça a toujours été les combats, le combat du président de la République. C'est toujours quand le président euh, prend les choses en main que ça marche. Donc, et, le ministère des Sports. C'est ce que je vous demande. Maintenant, ça veut dire que le Niger regorge tellement de talents, mais le président ne peut pas tout faire. Il y a ça aussi. Ça veut dire que le Niger regorge tellement de talents auxquels on ne donne pas cette chance d'être prise en charge, d'être euh, mmh, mmh, relevé, mmh, d'être encadré et tout. Et, euh, et, je pense que s'il y a des ministères, c'est bien pour que le président ne s'occupe pas de tout, de tout, de tout. Donc euh, il y a quand même, euh, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau, malgré toutes les priorités dont tu parles, Rachid, et pour lesquelles je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le sport n'est pas, ne vient pas en premier dans ses, dans ses priorités, mais c'est juste, c'était juste un avis. Mhm. Monsieur Razak René, vous êtes un champion de ces Jeux. Le chef de l'État, Issoufou Mohamedou, vous a rendu hommage dans le message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance du 3 août. On écoute le président de la République, chef de l'État, à ce sujet les jeunes Nigériens, qui constituent la frange la plus importante de notre peuple, s'affirment de plus en plus dans leur rôle de fer de lance du développement de notre pays. Les parcours exceptionnels d'Abdelrazak Al-Faga, champion du monde de taekwondo, et de Sissé Ibrahim, éminent biologiste du MIT aux États-Unis, Wazak André René, médaille d'or à littérature au huitième jeu de la francophonie, démontrent à suffisance la capacité des jeunes Nigériens à se au niveau le plus élevé de l'excellence. Ils doivent être euh, pour tous une source d'inspiration. Ils doivent être pour tous euh, une source euh, d'inspiration. Monsieur René Razak, nous le savons, vous êtes une personnalité, vous êtes un héros national. Nous comprenons pourquoi vous esquivez certaines de nos questions. Mais que signifient pour vous ces propos du chef de l'État en tant que médaillé d'or euh, de ces derniers Jeux de la francophonie D'abord, je, ne file pas les débats. Je, suis là, je suis présent, je réponds à partir de ce que j'ai comme connaissance, euh, à partir de ce que de ma participation. Mmh. J'ai encore des frissons, vous savez, tout à l'heure, euh, quand l'Estrée vient de passer, et j'ai eu les mêmes frissons quand euh, le 2 août, j'étais devant la télévision, la télé nationale, et j'écoutais le discours <laughs> sans m'attendre que. Ne vous attendiez pas. Mmh. Et jusque-là, je vous dis, je, suis en train de, de savourer ce moment, de le savourer, mais tout en sachant, tout en ayant conscience de, de, cette, de l'importance mhm. que désormais le peuple nigérien accorde à ce que je fais d'abord et de notre capacité de bien faire à tous. Mhm. Tous euh, culturels, sportifs, euh, artistes d'un point de vue général je, suis et je reste toujours, euh, je crois, animé par la même volonté qu'au départ. Mhm. Et cette fois-ci, je crois qu'elle a grandi. Elle a grandi par ce qui vient de se passer parce que je disais avant que j'écrivais, j'avais de bonnes raisons d'écrire. Mais là, actuellement, je suis dans le devoir de le faire parce que la littérature nigérienne a été portée quand même euh, sous les coups de projecteur euh, du mhm. monde mhm. francophone, pour ne pas dire du monde entier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je rappelle euh, rapidement que l'ouvrage que vous avez présenté, c'est L'homme qui donne des baisers au vent. de quoi parle exactement euh, cette nouvelle que vous avez écrite Pour résumer, pour résumer, l'histoire euh, qui a été l'histoire parle, parle, ou présente une mhm. facette de la force, de la mhm. force absurdement exercée, mhm. et en même temps, elle parle de la faiblesse, de la fragilité. Et entre les deux, il y a l'amour et il y a la mort. Donc, euh, pour qui découvriront le texte ou qui ont eu à le découvrir, ils verront que l'histoire parle d'un homme, d'un soldat qui a exercé la force par la bêtise de la guerre. Mhm. qui, je dis que la, la bêtise euh, humaine est la chose la mieux partagée actuellement. Mhm. Et cette fragilité a été symbolisée par un enfant, un enfant qu'il a connu, qu'il a eu à aimer, mais qu'il a eu à, tuer, à tuer par euh, la circonstance des, choses. Euh, d'un point, euh, une nouvelle, il faut la lire. Il faut la mhm. lire et pour mieux la comprendre. L'ouvrage doit paraître dans trois mois en principe. Alors, l'ouvrage doit paraître dans trois mois, selon ce qui a été arrêté par l'OIF. Mhm. Donc, c'est à cœur joie que je vais inviter le peuple nigérien à lire ce texte, à lire mhm. cette nouvelle. Quel est le message principal que vous avez voulu euh, transmettre à travers euh, vos écrits dans cet ouvrage Alors, dans cet ouvrage, euh, je ne je veux pas être moraliste souvent. Mhm. <laughs> Je, je, m'écarte trop de ce côté moral, de ce côté Fontaine de la fontaine de le... Euh, j'écris, je crois, et j'interpelle. Hmm. J'interpelle à travers des Interpeller par rapport à quoi Dans le cas précis, il s'agit de la guerre. Dans le cas précis, il s'agit de la guerre. Comme je l'ai dit, euh, il s'appart d'un constat. Hmm. Aujourd'hui, euh, le monde entier en pleine effervescence. Euh, euh, nous-mêmes, nous ne sommes pas épargnés aujourd'hui de ce qui se passe avec tous les conflits qui nous entourent et mhm. que nous vivons euh, d'une frontière à l'autre. Mhm. la guerre, pour le commun des mortels, je crois qu'elle est à bannir. Et mhm. on se demande parfois qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut amener à quelqu'un à ôter la vie à son prochain. Voilà. sans être trop moraliste, quand j'écris, je ne sais pas de, de condamner ouvertement. Non, je, mes mots me défendent. Voilà, les mots, les situations que je présente ici, quoi, et je crois que euh, c'est cette matière littéraire mhm. qui est surtout importante quand on écrit, surtout quand on écrit des nouvelles, parce que mhm. c'est un exercice de style d'abord, un exercice où il faut euh, tout remettre euh, sur papier en huit pages. Toute l'histoire, euh, d'après le règlement qui nous a été soumis, mhm. toute l'histoire doit se passer en huit pages. Mhm. Voilà nous vous encourageons vraiment pour cet important ouvrage. Il faut le lire justement pour pouvoir euh, le comprendre. Euh, oui, docteur Gamila, étiez-vous surprise de cette euh, victoire de Razak René qui a concouru en littérature, un secteur qui, depuis des décennies, est en déclin, il faut le dire. Docteur. C'est vrai, c'est vrai que la littérature, depuis l'avènement des réseaux sociaux, est en déclin parce que d'abord, les gens ne lisent plus. Mm-hmm. C'est tellement vrai. Mais euh, moi, je n'étais pas surprise de la victoire euh, d'Alfaga. De, euh, Razak. C'est tous des Razak, oui. je crois qu'il faut qu'on qu'on s'appelle tous Razak pour avoir des médailles d'or <laughs> partout. Je, n'ai pas été surprise parce que la, sa nouvelle a été en fait euh, exposée euh, mhm. bien avant le, le jour euh, le jour J, du, mhm. jury. Mhm. Et moi, j'étais partie, c'était exposé à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Et toutes les œuvres étaient en même temps exposées dans une très belle salle d'ailleurs avec une belle lumière et tout. Et on a passé des heures à lire. J'étais, j'étais avec des amis. On a passé des heures à lire un peu toutes, toutes les nouvelles exposées. Et, euh, tout le monde était unanime. Il, se dégage quelque chose de, Tout le monde me disait, mais docteur, il se dégage quelque chose de cette nouvelle de, ton pays. Et je disais oui, je disais oui, ça, il, va avoir sa médaille celui-là, sa médaille d'or. Mhm. Et quand, quand je le croise au moment même de là, parce que j'étais là-bas et puis je le vois avec sa médaille d'or et tout, c'était vraiment une grande fierté. C'était vraiment merveilleux mm. pour nous autres même qui avons suivi ça à mm. partir euh, de Niamey. Monsieur le directeur, euh, comment comptez-vous accompagner Razak René et les autres talents pour une meilleure préparation aux prochain rendez-vous internationaux ou que, que ce soit de la francophonie ou autre D'abord, euh, permettez-moi quand même de, de, magnifier notre, notre participation. C'est vrai que on aurait pu faire mieux, le docteur l'a dit, mm-hmm. c'est sûr, avec euh, le recul. Nous, on voit qu'on a, on a un peu de remords par rapport à ça. Si on était assez bien préparé, on aurait pu faire mieux. Mais la 16e place, elle n'est pas négligeable. Pas négligeable. Sur, 53 pays, c'est quand même quelque chose de, très mhm. important. Mhm. Maintenant, pour, euh, pour ce qui est de l'accompagnement au niveau des, de, nos athlètes et de, de nos cultures notamment de, de, René, le président de la République a donné, les couleurs. Malheureusement, docteur, à chaque fois, on, a, on est obligé de faire recours au président de la République parce que, en réalité, euh, devant certaines situations, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés, euh, en dernier recours, le ministre euh, est obligé de faire recours au président de la République pour débloquer les choses. Nous sommes dans une situation telle que vraiment les choses sont un peu difficiles. Face euh, à certaines situations, on ne peut pas faire autrement. On peut espérer qu'on euh, pourra faire mieux. Oui, mais non, c'est sûr, les choses vont s'arranger. Nous, au niveau du ministère de la Jeunesse mhm. et des Sports, même si le docteur n'est pas convaincu, mais les jours prochains vont nous édifier. Nous sommes en train de réfléchir sur les parce que tout le problème sur le financement, sur comment est-ce que nous allons prendre en charge véritablement le secteur. C'est par rapport à cela que nous avons initié, juste avant les Jeux de la francophonie, un séminaire mhm. sur une, pour dégager une stratégie de financement du sport. Euh, une agence euh, de développement du sport donc verra bientôt le jour, à travers laquelle nous mobiliserons des ressources additionnelles qui viendront sûrement soulager en tout cas l'état du Niger qui en souffrent déjà euh, de ce manque de ressources pour que, en tout cas, nous puissions euh, résoudre, pas résoudre véritablement tous nos problèmes, mais au moins à 80-90% avoir, euh, avoir nos, problèmes résolus, en tout cas du point de vue du, financement. Et je suis persuadé que le ministère de la Renaissance culturelle, parce que Razak est, est, est, encadré directement par ce, ministère. aujourd'hui est en train quand même de, d'initier un certain nombre de projets pour s'occuper de, beaucoup de secteurs donc euh, culturels de, notre pays et, c'est à travers donc euh, le grand projet de la renaissance du Niger. Nous sommes euh, pratiquement vers la fin de cette émission. Monsieur Abdelrazak René, un mot pour terminer à l'endroit du public en général et de la jeunesse nigérienne en particulier. Alors, je vais d'abord commencer par remercier euh, tout l'engouement que j'ai constaté. C'est mm. les, Nigériens qui étaient derrière cette médaille, qui étaient derrière cette consécration, euh, qu'ils trouvent ici, euh, en tout cas, toute ma gratitude et qu'ils sache que, euh, en tout cas, je ne descendrai pas plus en bas. Mm-hmm. je, ferai tout pour porter encore plus haut cette littérature. et maintenant, à l'endroit de, des mm-hmm. autorités, qu'ils fassent. Mm-hmm ou qu'elle fasse encore beaucoup plus de d'efforts, d'efforts pour accompagner. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent. On l'a senti à travers euh, ces exploits qui ressurgissent euh, d'un moment à l'autre. Et euh, à tous les Nigériens qui sont intéressés aussi par ce que nous faisons, la littérature, c'est un partage. C'est un partage et nous, je suis prêt à partager, comme j'ai eu déjà à le faire, donc, euh, c'est vrai, c'est un domaine qui euh, a aussi ses propres réalités, mhm. mais avec la volonté, on arrivera avec la volonté, on arrivera. On vous remercie. Alors, euh, la victoire doit euh, sortir de partout. Et il dit, euh, docteur, en quelques secondes. oui, moi, je voulais juste dire à, Rachid que moi, avec mon expérience et, mon background dans les mobilisations, je suis prête aujourd'hui, bénévolement, mhm. à vous faire des propositions au ministère pour, pour collecter des fonds des, des fonds énormes pour le développement du sport sans toucher au budget national. Il le faut. Vous allez donc euh, continuer puisque nous <laughs> sommes au terme de cette euh, émission. Chers auditeurs euh, de ce forum, nous sommes pratiquement à la fin. Ce forum a porté sur le bilan de la participation du Niger au 8e jeu de la francophonie qui ont eu lieu du 21 au 31 juillet dernier en Côte d'Ivoire. Rappelons que les 9 jeux de la francophonie se tiendront en 2021, ce sera au Canada. Nous étions en compagnie de Abdelrazak René André, médaillé d'or de ces huitièmes Jeux de la francophonie, du directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Abdelbaki Abdel Raza, qui est donc le directeur général des sports, ainsi que de Abdul Rachid donc, euh, qui est le directeur euh, général des sports au ministère des Sports euh, et de la Jeunesse, ainsi que de Dr. Fejani Jamila, qui a participé à ces Jeux en tant qu'expert de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Merci à vous tous, chers invités, pour votre participation à cette émission du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée.